Sénégal, bonjour. <laughs> Voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de dire en lisant le témoin quotidien ce matin à la une du journal trentenaire et piloté de main de maître par mon confrère Mamadou Oumar Ndiaye alias Grand Monde, on peut lire passation et eh mais passation de pouvoir au sommet de l'État. Et en l'État, adieu Macky Sall, bienvenue Diomaye. C'est le titre, eh c'est le titre qui barre la une, eh qui barre la une du témoin quotidien ce matin. Ce matin, le journal en tout cas d'informer, Bassirou Diomaye Faye, et si Bassirou Diomaye Faye promet de conduire, et de conduire le Sénégal vers des lendemains qui D'où l'intérêt pour nous, et eh bien d'où l'intérêt pour nous de prendre enquête quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler prestations, et eh bien prestations de serment du président de la République, Djomai et eh bien aux En tout cas, Koroké et bien Kororé, Faye a le pied à l'étrier au regard, et au regard du titre qui parle à une de enquête. Le journal d'expliquer le président, et bien le président a prêté serment en présence de plusieurs chefs d'État et des autorités de l'AES. Bon, retenons en tout cas les propos, et bien les propos de monsieur le président, son excellence, Bassirou Djomai Faye, à lire, et bien à lire dans enquête continuer à savoir, je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais au grand jamais vous décevoir. Donc c'est sans déception qu'on peut retenir Dubaï pour un Sénégal souverain, souverain et ouvert. En ouvrant en tout cas, et eh bien en ouvrant en tout cas l'as quotidien, il convenait de retenir et faire retenir ce qu'il a de retenir. Comprenez Une journée, et eh une journée historique, et eh historique pour le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas ce qu'il a de retenir du discours, et bien du discours magistral, pour ne pas dire monumental voire cardinal, et même cathédrale de Monsieur le Président, Son Excellence Korokhe Bassirou Diomaye Faye, à savoir le Sénégal. Et eh bien le Sénégal sera un pays d'espérance, un pays apaisé avec une justice indépendante et une démocratie. et eh bien, et une démocratie renforcée. Wow, Gorway, sommes-nous tentés de dire que de tenir aussi, d'après l'As quotidien, sinon un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez Mamadou Bayo Kamara. Mamadou Bayo rend hommage, et eh bien, rend hommage à Nyangle National Universel Mondial, comprenez Gorou Adjaratou Barem Faye salle. Bon, les sages, mais eh les sages conseillent de Bayo Kamara, et eh Bayo Kamara à Bassirou Diomaye Faye à lire également, et eh à lire également dans l'As quotidien ce matin. Ce matin, le quotidien, le quotidien semble informer qu'en réalité les réalités, Tcharan Fakre, comprenez, Louis Jot Bon, investiture, Diomaye Faye, Diomaye Faye prend les commandes, l'air, et bien l'air des ruptures. C'est le titre, et bien c'est le titre qui bat en tout cas la une, la une du quotidien, le quotidien, le journal de renseigner le nouveau chef de l'État installé devant, et bien devant un gros parterre, et bien un gros parterre de dirigeants étrangers. Aussi, le président élu promet, et eh promet une justice indépendante et le culte, et eh et le culte du travail et de l'éthique. Explique toujours, et eh explique toujours le quotidien, le quotidien. D'où l'intérêt, et ben d'où l'intérêt pour libération, d'où l'intérêt pour libération de retenir et faire retenir le serment, et bien, le serment de Jomai. Bon, Korok, et bien, qui aura un intérêt particulier de chez particulier à lire, eh bien, à Tribune quotidien ce matin à la une du journal du groupe des Il est écrit, et bien, il est écrit mise en garde, mise en garde de Mamandou Badio, Badio Kamara, sage conseil, et eh bien sage conseil au président Bassirou Diomaye Faye. Le président Bassirou Diomaye Faye, et eh bien le président Bassirou Diomaye Faye qui apparemment a déjà, et eh bien déjà le pied à l'étrier, est déjà au pied du mur et cette tribune quotidienne, tribune quotidienne qui affiche ce qu'il est lieu d'afficher. Comprenez Au travail, et au travail. Président Diomaye. Bon, il sera question, et bien il sera question pour Korahé Diomaye Faye d'avoir à ses côtés des ministres compétents et déjà nommés, et bien nommés par appel, et bien par appel d'offres informe en tout cas Tribune Quotidien, le journal de renseigner la nécessité, et eh bien la nécessité de dépolitiser complètement, voire totalement la sphère, et eh bien la sphère publique sénégalaise aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas, et eh bien en tout cas qu'avec Korok et Jomai <laughs> Bon, des DG nommés sur compétition seront au service des populations aussi pour une administration qui ne met pas, alors là pas du tout, du tout, du tout ces moyens à la disposition des politiciens. Voilà ce qui est attendu de l'air, et bien de l'air Korok Diomaye Faye au regard de ce que nous livre Tribune quotidienne qui ajoute le Sénégal, et eh bien le Sénégal doit sortir du lot, et eh bien du lot des pays les plus pauvres de la planète. Et pour rester sur la planète Terre, Tribune quotidienne, pour ce qui relève de la formation du nouveau gouvernement d'indiquer Sonko, et eh bien Sonko, porteur du projet, aux commandes, aux commandes de Diomaye, Euskei, et bien Euskei, sommes-nous tentés de dire, que retenir d'autres, et bien que retenir d'autres autour de la formation du nouveau gouvernement, d'après Tribune quotidienne, sinon le professeur titulaire, et bien le professeur titulaire, Marie Théonia et bien nommé, et eh bien nommé ministre, et eh ministre, directeur de cabinet du président de la République. Bon, Oumar Sambaba, et eh bien Oumar Sambaba, le très chevronné Oumar Sambaba, ancien secrétaire général de la présidence, maintenu, et bien maintenu à son poste. Les autres postes que compose le gouvernement seront bientôt occupés, d'après Tribune quotidienne qui renseigne l'équipe gouvernementale connue, et bien connue dans les prochaines heures. À l'heure actuelle, l'observateur, l'observateur, l'homme de retenir et faire retenir Diomaye Sonko. Le président, et bien le président et son leader aux commandes. En attendant de savoir mais qui commande, retenons en tout cas le récit, et eh bien le récit d'une journée de consécration et analyse sur, et eh bien sur la cohabitation du tandem. Ainsi, Vox Populi, eh Vox Populi, sans qu'on tout dit des tours de révéler, chef de l'État et du gouvernement, et bien le duo Diomaye Sonko au sommet, et bien au sommet de l'État et en l'État, et bien et en l'État, retenons définitivement qu'en réalité des réalités, et Sonko, Sonko et Diomaye. Au regarde et bien au regard du titre, du titre qui bat la une de Vox Populi ce matin, ce matin, le journal en tout cas de relever les antisystèmes, et bien les du système à l'épreuve du système. Mais systématique, mais eh systématique, la nomination de Sonko comme Premier ministre l'est, si on en croit bien entendu Vox Populi, le journal de renseigner que Pros, porte du Bourroc, comprenait Ousmane Sonko, nommé Premier ministre pour mettre en œuvre le programme élaboré en commun, défendu et eh bien défendu ensemble et présenté aux Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. baisse-bille au jour, et eh bien au jour, et bien bien révéler en tout cas nommé, et bien nommé Premier ministre Sonko, le doublon. En atteste les propos de monsieur le premier ministre baisse poulou, poulou, poulou du Sénégal, Ousmane Sonko, comprenez, pros la porte du Bourroc en l'occurrence, qui d'après Bespi le jour a tenu à dire à haute intelligible voix, il n'est pas question. Alors là, pas du tout question, du tout, du tout question de laisser, eh bien, de laisser le président seul assumer, eh bien, assumer cette lourde, et eh lourde responsabilité. L'autre responsable, l'autre responsable connu hier, d'après Bespi le jour, s'appelle, et bien, s'appelle le professeur titulaire, bien, le professeur titulaire, Marie Théonian. Désormais, bien, désormais, directeur de cabinet du président de la République. Tout l'intérêt de ce que rend public, ce que rend public, enquête quotidienne en appel à la une. Le journal, et eh bien, le journal de s'arrêter, et eh bien, de s'arrêter sur le professeur titulaire. Marie Théonian, directeur de cabinet de Djomaï. Pourquoi faire Pour nous dresser le parcours, et eh bien, le parcours élogieux d'un homme politique chevronné. En tout cas, du PAI, et bien, du PAI clandestin, s'il vous plaît, au cabinet du président de la République. Voilà, en tout cas, et bien, voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir du professeur titulaire. et bien, titulaire Marie d'après, et eh bien, d'après enquête quotidienne ce matin. Ce matin, et eh bien, ce matin, il conviendrait de lire également l'édito, et eh bien, signé Mohamedou Won, intitulé Du chemin. Comprenez, du chemin à parcourir. En attendant, passons à l'observateur Lobs, à l'observateur Lobs, qui s'intéresse, qui s'intéresse à Jomai Absafai, Ou l'histoire, et bien, l'histoire secrète du couple présidentiel. En tout cas, il est question pour l'observateur Lobs d'effectuer un reportage à Maran Bougar, le village, et bien, le village d'origine des parents de la deuxième dame, de la deuxième dame douze moitié de Korok et Bassirou Diomaye Faye. <laughs> Euh, en tout cas, comment, eh bien, comment, monsieur le président, son excellence Koroche et Bassirou Diomaye Faye est tombé sous le charme de Ndaoussi Absa Faye. Faye, voilà en tout cas ce que tente d'expliquer l'observateur Lobs dans ses colonnes ce matin. Et là, mais là, t'es dong, mais là, t'es dong de <laughs> Tchei Allah. Fouji Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Dikatina, Tchabi Paleba, Tchilokhol Bassirou Diomaye Faye critique les cas... ni ma ne day mooy jiite pale ba moo fa fanaan kay moom bas Sud Quotidien naan kon fi mu ne moo jiite palais ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy président de la République bu Sénégal niki dem nag sàll ngaari lam tooro bur géda jébbal na ko caabi pale ba ne ko bas am yaa ko fi am doxalal critique yéen kaay naan kon caabi palais ci loxol bas mu dégg son excellence doon nag locataire bu yees bu palais de la République bi réew mi Quotidien naan kon niki démb lañ ko daal di dalal moom ba Diomaye Diakhar Faye ab porox ndoll su yees daal di ubbeeku ngir réewum Sénégal basa nga naan ci liggéey sénégalais yi ci wàlluk éthique maanaam yorin goo xam ne day leer naññ lëndëm du ca am waaye tam dees na leen yar ci jub ak jubal waaye tam bëgg lool réew mii di Sénégal te naan leen lii dey bunte tënkoo dees na yóbbu Sénégal foo xam ne njort dina ko weesu turbine yéen kaay naan kon formé nan gouvernement gu yees moom Ousmane Sonko ma nga xam ne moo teg ab projet moom ci boppam mi ngi tënku ci loxol Jomaay l'observateur naan kon Jomaay Sonko soo ko déggee mooy président bi ak leader am l'indépendant naan kon moom Bassirou Jomaay Jaxaar jël fonction décision ki demb té nan gaay yi liggéey la woté man jomaay l'enquête nan kon fim mu ne doxal wat na jël na nguur gi fasiyéné doxal niki demb nak ci watam ga Amadou Ba ñewul Idrissa sek ñewul Khalifa Sall ñewul Barthélemy jazz ñewul las nan kon bës bu dugg ci taarix la ngir réewum Sénégal bës bi le jour kon Ousmane Sonko moy doublon jomaay wayé lo ci ti déggit Sonko mel ni ku nan len ma tay ndax xalaatuma bayyi basirou Jomaay Jaxaar Fay mi mu wéet xalaatuma bayyi responsabilité nga xamné mako ko wék ma da koy bàyyi muy roñ-roñeeg moom di daw ak moom mu diis lool dees ko jàppale ci liggéey bi vox populi naan kon moo taxit def na nañu duo diggante Ousmane Sonko Bassirou Diomaye jaxaar fay ca coppax ndalu nguur ga ñoom anti système bi nag fi mu ne nag toog ci système bi turbine yéene kaay naan kon ñu jël ay dogal yu njëkk ni ki démb Mary Teuw Niane ñu daal di koy tabb ministre directeur de cabinet bu président de la république Omar Samba Ba ancien secrétaire général bu ba mu nekkoon ñu daal di ko fay wéy di tegaat ci waxtu yi ñu jëm yéene kaay bi naan maan dees na xam gouvernement bu njëkk bu Ousmane Sonko le témoin yéen a kaay naan contact goonu ñu yóbbal ak président Macky Sall fi ne nag daal dinañuy dalal président Diomaye fukki at ñaar moom Sall mu yor ko nguur gi jël na lengay nag jébbal ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye le témoin naan kon waaye tàggoo ba démb ñaaw na wala diggante ña ànd ak Diomaye ak ña ànd ak Macky mel ni ay gone le point ak ci naan kon ma Mamadou Badio Camara njiital conseil constitutionnel daal dinay xamal président Macky Sall ne ko gàcce ngaalaama deesul nag mën a wax fii liste li nga fi def waaye say réalisation yow Sall buñ ko talaloon dees na law ci ay kilomètres mooy dëgg la soleil yéene kaay naan kon Bassirou Diomaye Diakhar Faye niki démb def nañ ko njiitum réew mu Sénégal moom président bu yeesu bi naan Sénégal fas naa ko yéene def ab dëkkub espérance maanaam réew moo xam ne askanam ci boppam dañuy am yaakaar ci moom libération yéene kaay naan kon waat na ci kanamu sénégalais yi moom Bassirou Diomaye Diakhar fay mooy cinquième président bu réewum Sénégal ma ngay waat naan li ngeen dénk dees na ko na mu waree Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga naan sénégalais yi la ngeen ma dénk waaye tam gravité charge yi ngeen ma dénk dinaa def kéemtalaay kàttan ba jàmm ak booloo national am ci réew mi duma fàtte sacrifice yi nga xam ni def ngeen ko ba fal ma tey kon dinaa def sama kéemtalaay kàttan ba seen yaakaar gi du yankeeku la ngeen def keroog dimanche ca ngoon wane na ne ab coppite ngeen bëgg dëgg-dëgg ci réew mi dees na ko matale sénégalais yi nekk ci réew mi ak diaspora dees na leen dajale ngir projet national boo xam ni day boole waaye tam ëllëg goo xam ni Sénégal dina ci gis boppam moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nga naan sénégalais sénégalais yi la woon ni na tey jii ñi nga xam ne ay élite lan de décomplexé ñoom ma yónni yàkkamti ma moo tax ci samak ay Sénégal dina nekk réew moo xam ne dina am yoon yoon woo xam ne nag day doxal yoon moom boppam moom ca gël gu yëm dana doon Sénégal goo xam ne démocratie gi dees na ko jal ca kaw gën koo dëgëral gën koo joyanti yéeni kaay bi naan maan moom président Macky Sall ni ki démb ba mu jeexalee la jël roppalaan génn réew mi direct news naan koon moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci boppam moo ko faase discours na ba pare moom président bu yees bu réewum Sénégal waaye tudd fa benn yoon turuk sàll ngaari lam tooro yéene bi naan koon moom basa nga naan maa ngi fàttaliku ci bésug tey jii ña nga xam ni ay martir lañu tey le seen bakkan génn ci mbedd bi xeex ba ñàkk ca seenu bakkan te la ñu bëggoon mooy Sénégal gu moom boppam maa ngi fàttaliku tey jii ña nga xam ne génn nañ ci mbedd mi tey ñàkk nañ seen cër maa ngi fàttaliku tey ci sama bës bii ña nga xam ne génn nañ ci mbedd xeex démocratie ba am tey gaañu gaañu maa ngi fàttaliku ci sama bés bii ña nga xam ne nag dañoo xeexal démocratie ba mujjee ci kaso bi lii day des na ko def sama mag ba yaakaar gi du mësa yankiku tribune yene kay nan man moom Mamadou Badio Camara njital conseil constitutionnel ma nga nan president basirou Diomaye jahar fay deglul ma wax la waxtu wo xamna ya nga ca nguur gi te ñak na nguur dem balay bëgg jey doole gi nga am tambale melni ku lay gi tambale feug sa buntu fàttalikul ne li am lepp loxol yalla jogu ca lepp mooma te mom borom bi lañ wara ñaan li nga xamne moy sunu pétrole ak gaz bi nga xam tek nañ ci geut mu baña nek jafé jafé ci réew mi ma nga nan kon monsieur le président de la république démocratie réewum Sénégal sak mbagg la tegu jox cëruk institution yi sak mbagg la lalu àq ak yelleefuk doomu aadama seeni liberté ak seeni sañ-sañ sak mbagg la tegu te loolee boo ko daal di jëmmalee am Sénégal goo xam ne dina jub Sénégal goo xam ne askan wi dees na booloo doon benn Sénégal goo xam ne na ku ci nekk foo mën a bàyyee koo dina neex dundee ñaan nag yaakaar gi nga xam ne askan wi am nan ko ci yow ba fal mu bañ a yankiku vox populi naan kon Ousmane Sonko man fal premier ministre nañ leen tabb ci gouvernement gi liggéey la ñu wootee loxo yu set la ñu wax la ñu diggee ak sénégalais yi faaw ñu matool ko te loolee liggéey ñaq ñu dong moo ñu ko mën a may fu ko Quotidien nan kon Ousmane Sonko ràngoo na mbubb ak chef de gouvernement ñaabar ñaabari nag fas yéene tàmbalee liggéey yi yéene kaay bi nan kon ngeen war a focus nag ci urgence yi diggante xëyug ndaw yi dund gu metti goo xam ne askan waa ngi ci waaye tam bonne gouvernance bi nga xam ne woote nañ ko tribune yéene kaay nan kon dalal nañ président bu yees bi am nañu ab premier ministre nañ ko diggee woon yu compétent waaye tam ay DG yoo xam ne appel d'offre lees leen fale la ca des mooy def kéemtalaay kàttan ba sphère publique sénégalaise bi politique dootu ko ràngoo yàq ko ay DG yoo xam ne seen i compétence mooy tax ñu fal leen waaye tam njëriñ nga xam ne mën mënees na ko amal askan wi ña ngi leen di xaar ci administration boo xam ne du jël ko paruk askan wi jébbal ko politiciens yi ña ngi leen di xaar ci Sénégal goo xam ne dees na ko génnee ci réew yoo xam ne ñoo gën a ndóol ci àdduna wërngal këpp le quotidien le quotidien naan kon loo ci mënti waxi rupture la ñu daal di wota mi yéen kaay naan kon ak lu mën a amit jàppal lii Bassirou Diomaye fay ni ki démb jébbal nañ ko caabik pale ba ndax bas mooy borom pale ba ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm